Bon, vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas parler de politique parce que la politique, euh, nous l'avons mise entre parenthèses, euh, le temps de voir clair par rapport euh, à la nouvelle donne. Et je tiens à rappeler que nous, aujourd'hui, en termes d'analyse, nous ne nous retrouvons pas dans le cadre d'un coup d'État, parce que en réalité, un coup d'État suppose que des militaires veulent s'emparer du pouvoir pour l'exercer, c'est ça un putsch. Et nous, chez nous, nous avons euh, l'article 121 de notre Constitution qui permet d'aller à une désobéissance civile avec une bonne organisation et de la méthode pour faire fléchir le gouvernement dès lors que euh, la forme républicaine de l'État est menacée. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, euh, le Mali, à travers déjà les problèmes que nous avons connus au nord du pays, qui a glissé vers le centre et qui pratiquement regagne le sud. Donc nous sommes dans une situation d'insécurité totale. économiquement, le pays est mal géré, il y a la corruption et tous ces mots font qu'effectivement, l'État se trouve dans une forme de euh, prédisparition. Donc, dans ce contexte précis, effectivement, la désobéissance civile s'imposait aux citoyens qui, dans l'article 2 de notre constitution, euh, du moins l'article 22 de la constitution malienne, dit que la défense de la patrie est un devoir pour tous les citoyens. Donc, tous ces constats mis bout à bout euh, font comprendre pourquoi aujourd'hui euh, une frange de la population a décidé de descendre dans la rue et de demander la démission du président de la République. Et ce même article 121 prescrit quelque part que le putsch est un crime imprescriptible. Donc la CDAO aujourd'hui se met dans la logique d'un putsch alors qu'il s'agit en fait de quoi Il s'agit d'une mobilisation générale civilo-militaire qui est permise dans le droit euh, international. Euh, relatif aux droits économiques et aux droits civils, qui date de 1976, dont le Mali a ratifié. Donc, nous sommes étonnés qu'à la faveur du printemps arabe, qui a occasionné le même phénomène en Égypte, en Algérie, en Tunisie et puis dans certains pays du Maghreb, que la communauté internationale ne s'en offusque pas et qu'on se précipite pour prendre des sanctions par rapport au Mali, qui en fait n'est pas dans un cadre de putsch, mais plutôt dans le cadre d'une globalisation, une mobilisation générale civilo-militaire, parce que les militaires sont venus en dernier ressort pour éviter le carnage qui se préparait. Donc c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Donc nous avons euh, une mauvaise lecture de cette démarche de la CDAO qui s'inscrit dans une dynamique euh, euh, de, de, tirer le bretelles, alors qu'en réalité, euh, il n'y a pas très longtemps, euh, Alpha Condé a renvoyé la CDAO quand il s'est agi des législatives en Guinée. Donc nous voyons à travers cette attitude de la CDAO une mesure qui ne répond pas. Et ensuite, elle est disproportionnée par rapport aux réalités que nous traversons aujourd'hui. Et mieux que ça, nous pensons que cette CDAO s'inscrit dans la défense des intérêts des chefs d'État africains qui participent à cette zone plutôt que ce soit la CDAO des peuples. Non, je ne le pense pas parce qu'il s'agit de négociations. En fait, vous savez, euh, euh, ce genre de mécanisme, il y a des fuites qui font qu'effectivement, on parle de trois ans, mais ce n'est pas un problème, que ce soit trois ans, que ce soit un an. pour nous, l'important, c'est qu'elles euh, puissent nous dire en trois ans qu'est-ce qu'ils feront. Il faut d'abord une vision, un modèle et une planification stratégique. Si effectivement les programmes échafaudés par eux mis au bout du jour par rapport à euh, une planification euh, pertinente nécessite qu'on aille à trois ans, mais il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qui est important de comprendre, ce n'est pas le timing qui pose problème, c'est le contenu qu'on va mettre dans cette transition. C'est qu'est-ce qu'ils veulent faire réellement. Maintenant qu'ils négocient avec la communauté internationale et qu'on puisse filtrer deux ans, trois ans, un an, moi je pense que ce n'est pas ça qui est le plus important. Nous, on s'intéresse plutôt au contenu de ce qui va être fait pendant cette transition. Maintenant, je pense qu'une transition ne doit pas être, euh, euh, ne doit pas durer dans le temps, parce que les gens confondent souvent, ils pensent qu'un gouvernement de transition est chargé de résoudre tous les problèmes, est chargé de gouverner. En fait, une transition, ce n'est pas pour gouverner, c'est juste pour jeter les bases, c'est une passerelle